les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 816 tests réalisés, 51 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,25%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 47 contacts suivis par nos services. Quatre cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Yoff 1, Dakar Plateau 1, Yembel 1 et Touba 1. 24 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fan 3 et de l'hôpital principal 6. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2480 cas ont été déclarés positifs, dont 973 guéris, 25 décédés et donc 1481 sous traitement le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Paye, monsieur dimanche 17 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat examen virologique ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn test yi ñu def juróom fukk ak benn ñoo ci positif maanaam ñeent fukk ak contact ak ñeenti kaa communautaire benn ci Yoff benn ci Dakar Plateau benn ci Yëmbal ak benn ci tuuba ñaar fukk ak si ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom-ñeenti cas ñoo nekk si suñu service de réanimation mooy ñi ñuy wax cas grave ñett ci hôpital Fann juróom benn ci hôpital principal ñeneen ñi des ci suñu hôpitaux yi ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk ba Sénégal Wenina. Nyari ñaari juni ak ñenti témèr ak juroom ñetti fukk ka juroom ñenti témèr ak juroom ñaar fukk ak ñett ñoo ci wër ñaar fukk ak juroom ñak ci sen mu ak ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne moom la ñu joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm